Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République hélénique au Sénégal, Monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais, Madame la vice-présidente du conseil d'administration, représentant spécial olympique Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, chers collaborateurs, chers parents, chers joueurs et joueurs, Mesdames, Messieurs, le 12e Je ne sais pas si vous êtes toujours là au service du sport. Merci. Comme vous le savez, c'est toujours avec une grande satisfaction et un immense plaisir que je reçois les délégations engagées dans les compétitions sportives internationales pour le remettre au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République le drapeau national en guise d'encouragement et de soutien des populations et des pouvoirs publics. C'est pourquoi, à quelques jours de votre départ pour les Jeux mondiaux de spécial Olympics de Berlin 2023, mes choix l'honneur et le privilège de m'acquitter de ce devoir républicain avec beaucoup d'empressement et d'enthousiasme en symbole de notre souveraineté et de notre vie ensemble. Je vous remets donc le drapeau national au nom du chef de l'État, avec une grande confiance, car vous avez déjà participé aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques avec des résultats plus qu'élogieux, à six reprises entre 1991 et 2019. Il s'agit donc d'une compétition qui vous est familière. Vous en connaissez les tenants et les aboutissants, ainsi que leurs subtilités qui, en définitive, font la différence. Vos performances sportives aux Jeux mondiaux militent donc, fortement en votre faveur. Au total, vous y avez gagné 8 médailles d'or, dont 2 en 2091, 2 en 2011 et 4 en 2019. 16 médailles d'argent et 11 médailles de bronze, en plus d'être 10 champions du monde en football en 2019. En 2020 aussi, aux Jeux panafricains spécial olympiques au Caire, vous avez obtenu une belle moisson en remportant 9 médailles, dont 2 en or, 2 en argent, 5 en bronze, et cela en athlétisme uniquement. Aussi, me plaît-il encore, une fois, de vous renouveler les félicitations et les encouragements du président de la République, son Excellence M. Macky du gouvernement et de l'ensemble des composants de la nation pour vos parcours eh. remarquables avec, comme on vient de le voir, des victoires éclatantes. Je confonds à ces félicitations, à ces encouragements, vos encadreurs techniques et administratifs, vos partenaires, que je remercie pour leur appui et leur accompagnement. Les parents, naturellement, qui jouent un rôle essentiel, ainsi que tous les acteurs qui nous soutiennent. Je réserve bien évidemment une mention spéciale à l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, M. Simon pour votre apport inestimable à la consolidation des relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays et surtout pour l'intérêt tout particulier que vous accordez à la promotion de cette catégorie particulière d'activités sportives. Recevez donc l'ambassadeur au nom du président de la République Macky notre reconnaissance, notre amitié et nos souhaits de succès dans votre soutien et votre accompagnement spécial olympique sénégal. C'est ici le lieu de mentionner que les résultats et les performances que le Sénégal a engravées dans les différentes participations aux Jeux prouvent, s'il en est besoin encore, que le sport, par-delà de ses vertus, est également un intrant de transformation et de promotion de tous les individus et de tous les groupes. Il produit et favorise l'inclusion sociale et combat toute exclusion et toute marginalisation sociale. Cher Lyon, je vous invite à travailler encore plus, sans relâche, pour renforcer vos performances sportives et hisser encore plus haut le drapeau sénégalais. Vous le savez, le sport fait partie de nos produits les mieux conçus et les, les plus compétitifs à l'extérieur. C'est pourquoi le président Macky Sall l'a érigé en priorité parmi les activités qui contribuent à l'émergence et au développement de notre pays par son apport considérable à l'économie et à la croissance. Puisez donc, cher Lyon, spéciales olympique dans notre riche histoire sportive des ressources nécessaires qui vous rendront encore plus engagés et plus déterminés. Continuez encore à faire preuve de vigueur et de discipline et restez attachés aux valeurs de job de Fit et de Warma, de Ngor, qui sont les premières caractéristiques et les vertus cardinales du peuple sénégalais. Vous devez être les ambassadeurs, vous l'êtes déjà, et je vous remercie de votre attention. ginnaaw bi ma nuyoo suñu équipe bi di ci jiital capitaine bi mais balaa équipe bi mooy nuyu seen way wayjur ñi nga xam ne ñoo nangu ngeen dem ñëw taxaw ak yéen fii di leen jàppale di nuyu suñu gan fi am may nuyu ambassadeur bu Allemagne ak ambassadeur bu Grèce yéen ngeen équipe Sénégal ngeen suñuy gaynde suñuy doom war a dem jogante ji ak seen i ak seen i nawle ci Allemagne Sénégal nag suñu politique bi mooy suñu juróom-benneeli yoon ngeen am fa ay ndam yu bari moo tax maa ngi félicité seen encadrement di félicité équipe bu ministère de sport yëpp mais politique bi nga xam ni président Macky Sall am na ko mooy politique bi tuddee inclusion mooy Sénégal yëpp dañ ko bokk doomu Sénégal yëpp Sénégal lañ bokk ku ci nekk sa cër sa gëdd

mais ngeen xam ne réew mi kenn du ko defar te bokk leen ci réew mi ngeen bokk kenn ëppalewu leen ci kon fi ngeen di dem di jogante ak seen i morom Sénégal ngeen fa taxaw xam ne ni gouvernement Sénégal yëpp président Macky Sall jiite ñu ñun ñëpp mi ngi seen ginnaaw moo tax ma leen di jox drapeau bi ci turam ngi leen di encouragé leen félicité may kontaan loolu nag li nga xam ne ministère des sports li ci war yëpp def nañu compétition yi man sa bopp naa ko suivre waaw fexe ba nga xam ni du ngeen fa am benn jafe-jafe du ngeen fa am benn coono war nañoo dimbali équipe yëpp rawati nañu équipe bi nga xam ne yéen moom ngeen di représenté catégorie sénégalais yi bi nga xam ne yéen moom ngeen di représenté kon maa ngi leen di encouragé di leen félicité di ñaan ngeen dem ci jàmm ñibbi si fekk ñu ci jàmm seen i parents ñu ngi fi ñu ngi leen di

li ko président bëggee defee nañ ko noonu loolu lu ñu war a seetlu te incha allah naa ko seet ci fan ma leen di ñaanal ngeen dem ci jàmm comme ni ma ko waxee léegi ñu ci jàmm andi yi nag ay médailles yu bari capitaine bi nee na ma léegi moom day basket waaw ma ne ko nag booy ñëw te bëgg nga andil ma basket bi ak coupe du loolu nga wax merci jërëjëf